le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passées de 15 minutes, mesdames et messieurs, bonsoir. Les programmes du studio Kalangou se poursuivent. Bienvenue dans le forum du studio Kalangou. Merci de nous recevoir euh, à travers les 20 radios partenaires qui relaient notre programme. Dans le forum de ce soir, vous suivrez un entretien que nous a accordé Haruna Ousmane, président de la Fédération nigérienne Disport paralympique à FENISFA. Cet entretien relatif aux Jeux paralympiques pratiqués par des personnes handicapées. Ces Jeux auront lieu en septembre 2016 au Rio de Janeiro, au Brésil, et le Niger sera représenté par Ibrahim Dayabou et Balkissa Mamoudou Amadou qui défendront les couleurs du Niger. À suivre également dans ce forum des échanges qui porteront entre autres sur l'interdiction de fraude de carburant dans la région de Zender. À ce sujet, vous suivrez le gouverneur de Zender, Issa Moussa. Et sur l'avancement des travaux de la centrale thermique diesel de gourbanda où une délégation d'acteurs de la société civile s'était rendue, vous entendrez l'un d'entre eux, à l'occurrence Abdou Mamal Lokoko. Un autre point, c'est celui du gaz dont certaines sociétés souhaitent une subvention de l'État ou, une augmentation à défaut des prix de la bouteille de gaz pour ne pas rouler à perte, à suivre le point de vue de Maman nourrie défenseur des droits des consommateurs. Bonsoir à tous, bienvenue dans le forum du studio Kalangu que nous ouvrons ce soir par un élément sport. Après sa participation aux Jeux olympiques, le Niger prendra part cette fois-ci aux Jeux paralympiques pratiqués par des personnes handicapées. Ces Jeux vont se tenir en septembre prochain au Rio de Janeiro au Brésil et le Niger sera représenté par Ibrahim Dayabou et Balkissa Mamoudou Amadou. À ce sujet, Tarnan Foudé Ahmed s'est c'est entretenu avec Haruna Ousmane, président de la Fédération nigérienne du sport pour personnes handicapées, FENISPA, faisant office de comité national paralympique. Suivez. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi les Jeux paralympiques Les Jeux paralympiques ou sport paralympique, c'est euh, le sport pratiqué par les personnes handicapées, n'est-ce pas euh, C'est-à-dire les différentes catégories de handicap, que ce soit les déficients physiques, les déficients visuels, les déficients intellectuels, etc. Il y a d'autres catégories qui n'ont pas encore été détectées au Niger. Et euh, au niveau du comité paralympique international qui gère le sport paralympique ou le sport pour handicapés, on peut compter une vingtaine de sport. Et donc euh, le, le, comité national paralympique du Niger œuvre pour le rayonnement de ce sport pour personnes handicapées à travers la fédération qui existe depuis le 30 octobre 1999. Le Niger se prépare pour participer aux Jeux paralympiques. Euh, aujourd'hui, pouvez-vous nous dire dans quel type de sport le Niger va compétir Effectivement, euh, le Niger participera aux Jeux paralympiques. Je souligne bien que c'est les Jeux paralympiques parce que les Olympiques viennent de finir. Aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro du 7 au 18 septembre 2016. Et euh, nous n'avons été euh, choisis que pour euh, des disciplines athlétiques, c'est-à-dire euh, la vitesse 100 mètres, le son en longueur et le lancer de disque. Euh, c'est vrai, euh, d'autres pays de la sous-région ont été même choisis pour la natation, la dynamophilie, euh, le judo pour les déficients visuels, mais nous, au niveau du Niger, nous n'avons que deux athlètes qui, sont qualifiés pour ce jeu et, le premier athlète va compétir dans deux disciplines athlétiques, la vitesse de 100 mètres et le, le saut en longueur. Et la deuxième, qui est une fille, elle, elle va compétir en lancer de disque. Dans quel état d'esprit sont aujourd'hui ces athlètes qui vont représenter le Niger euh, aux Jeux paralympiques euh, Je peux vous dire sans me tromper que ces athlètes ont un bon moral et ont vraiment euh, l'objectif de décrocher des médailles, disons. Et je peux vous dire que depuis le 29 juillet 2016, avec l'appui du ministère en charge de sport, le ministère de la jeunesse et du sport, qui est notre ministère de tutelle, ces athlètes sont mis au vert, ils sont internés au niveau du village chinois et s'entraînent régulièrement. Et les athlètes euh, nous rassurent, en tout cas qu'ils ont le moral euh, haut et euh, leur objectif c'est de nous ramener des médailles. Pouvez-vous nous faire euh, le point sur euh, le préparatif de nos athlètes, nos représentants à ce sujet Oui, en fait, euh, au niveau de la Fédération nigérienne de sport paralympique, la FENISFA, nous avons d'abord procédé à l'organisation d'un championnat national pour détecter des talents. À travers ce championnat, nous avons eu à détecter les meilleurs talents qui, à leur tour, ont été également sélectionnés pour que nous ayons les meilleurs. Euh, comme je l'ai souligné tantôt, il y a eu la mise au vert qui est intervenue le 29 euh, juillet et jusqu'au 29 euh, août, c'est-à-dire aujourd'hui. La mise au vert prend fin aujourd'hui et je vous dis que nos entraîneurs ont sollicité les compétences extérieures, c'est-à-dire de la Fédération valide d'athlétisme, qui nous ont beaucoup appuyé, des techniciens handisport euh, dont je souligne le directeur d'exploitation du stade général Saïn Kounché, qui est un spécialiste de handisport, qui a été formé également au sport pour handicapés, qui nous a euh, accordé aussi son temps, sa compétence, son énergie pour vraiment euh, mettre ces athlètes dans de bonnes conditions pour vraiment atteindre les objectifs. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire comment se fait la détection des athlètes Et La détection de nos athlètes paralympiques se fait, comme j'oublie, à travers les regroupements sportifs. Euh, d'abord au niveau de nos ligues à l'intérieur du pays, nous avons une assise nationale et au niveau de nos ligues, en tout cas, ils nous disent qu'il y a vraiment un certain nombre d'athlètes qui font de bonnes performances. Et après nos ligues, euh, nous faisons un championnat national ou euh, une compétition. Et à travers cette compétition, en tout cas, euh, en tout cas, les meilleurs athlètes sont sélectionnés. Et pour participer à des compétitions internationales, nous faisons également un regroupement. Et à travers ce regroupement, les meilleurs des meilleurs sont sélectionnés. Donc c'est pour vous dire que nous, en tant que fédération faisant office de comité national paralympique, nous voudrons partir avec des meilleurs talents qui peuvent défendre et hisser plus haut les couleurs de notre pays, le Niger. Est-ce ici, au niveau de notre pays, nos représentants ont le moyen financier pour participer à ces Jeux Oui, euh, je vous ai parlé de notre ministère de tutelle, qui est le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce ministère euh, a fait vraiment de son mieux et a eu à nous mettre en place un budget pour mettre euh, nos athlètes dans des conditions les meilleures. On va passer 23 jours dans un pays étranger avec une monnaie qui n'est pas comparable à la nôtre. Et euh, ce que nous avons, je crois que est très, très, très insignifiant. Et en tout cas, nous avons aussi demandé la contribution de certains partenaires. Mais le problème qui se pose ici, bon nombre de partenaires pensent que maintenant les jeux sont finis. Ils ont vu AlphaGa venir avec des médailles, on l'a accueilli, maintenant il y a plus de jeux. Je voudrais euh, profiter de votre média pour attirer l'attention de l'opinion euh, nationale et internationale que après les Jeux olympiques, il y a les Jeux paralympique. Donc que les partenaires, en tout cas, appuient la participation euh, de leur délégation paralympique, ça serait une bonne chose et nous le souhaitons. Une fois de plus, Monsieur le Président, quel appel avez-vous à l'endroit de bonne volonté de ceux qui veulent aujourd'hui assister ces athlètes euh, L'appel que j'ai à lancer à l'endroit des partenaires, c'est que qu'ils sachent que vraiment c'est des athlètes euh, qui ont vraiment l'intention de hisser plus haut les couleurs de notre pays et que comme les autres athlètes olympiques, ces athlètes aussi méritent beaucoup d'appui, beaucoup de soutien pour les galvaniser, pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et ramener aussi des médailles et que euh, les partenaires, parce que euh, vraiment, euh, je sais que certains partenaires ou beaucoup de partenaires ont appuyé le comité olympique sportif, qui est un comité grand frère, mais nous, nous sommes un comité petit frère, parce que le mouvement paralympique a commencé seulement dans les années 89. Nous souhaitons que ces gens comprennent que il y a aussi le mouvement paralympique, il y a aussi des athlètes paralympiques qui vont participer aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro et que le Niger en sortira grandi si ces athlètes vont être soutenus et vraiment pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Monsieur le Président, là, vous venez de lancer un appel aux partenaires. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez du public nigérien euh, Le public nigérien, c'est vraiment euh, leur contribution. Euh, nous le souhaitons en termes de soutien, que ce soit par SMS, que ce soit sur les ondes. Hein. Il y a des émissions qui se passent dans les différents médias de la place, des organes de la presse. Et nous souhaitons que ces gens nous envoient des messages de soutien, des messages d'encouragement, parce que que nous sommes leurs fils et nous allons les représenter à ces Jeux paralympiques. Et la communauté, effectivement, c'est les parents, amis et sympathisants des personnes handicapées. Ils peuvent également euh, venir au siège du handisport, ici à la porte centrale du Palais du Sport, apporter leur contribution. Et vraiment, c'est le Niger qui sera grandi. Monsieur le Président, quel est votre souhait pour nos athlètes euh, Mon souhait vraiment, c'est que euh, AlphaGa nous serve de, modèle, c'est que nous ramenions nous également au niveau du sport paralympique les premières médailles paralympiques pour ce grand pays, le Niger. C'est vraiment ça mon grand souhait. Vous venez d'écouter Haruna Ousmane, président de la Fédération nigérienne du sport pour personnes handicapées, FENISFA. Il était été interrogé par Tarnan Foudé Ahmed. La lutte contre le transport clandestin et la fraude des hydrocarbures sont là, entre autres, objets d'une récente mesure prise par le gouvernement et le gouverneur de la région de Zander. Selon le gouverneur, cette décision permettra de faire face ou de réduire au mieux les drames récurrents causés par la fraude des hydrocarbures dans la région de Zander. Issa Moussa, gouverneur de Zander, au micro de Mokhtar Hamadou. Nous avons été amenés à prendre un certain nombre de décisions pour lesquelles nous savons que les concernés vont certainement bouder, mais nous pensons que c'est des décisions qui sont salvatrices pour la quiétude, pour la paix et pour la tranquillité de la population de la région de Zander. De quoi s'agit-il Ce qui est certain, c'est que nous le savons, la fraude de carburant est interdite. Nous avons des structures qui sont chargées de produire et de vendre le carburant ici au Niger. Tout individu qui va aller dans un autre pays acheter du carburant pour venir le vendre, c'est de la fraude. C'est interdit. Ça porte nuisance à nos opérateurs économiques qui sont là pour faire ce travail, à nos entreprises qui produisent et globalement à notre système économique. Mais c'est surtout pas pour cela, mais aussi pour d'autres raisons. Nous nous sommes rendus compte que ces fraudeurs qui exercent de l'illégalité se permettent de bourrer des petits véhicules avec des surcharges d'essence, donc un péril en puissance. Ils prennent les routes avec des vitesses vraiment exagérées gérer. Et les vitesses, ce n'est pas seulement en rase campagne, même dans les villages, quand ils viennent, ils ne ralentissent pas. Les villageois ont fait des cassis, mais ça n'a pas tellement réglé le problème. Nous avons arrêté beaucoup de nos citoyens de la région de Zander qui ont perdu la vie. D'autres sont devenus des infirmes à vie. Et ce qui est très dommage, c'est que ces véhicules ne sont même pas en règle. Donc il n'y a pas d'assurance, ce qui fait que les victimes n'auront même pas de quoi un peu faire face pour les survivants ou la famille des disparus n'auront même pas là où trouver un dédommagement. La population est devenue inquiète. Les gens nous disent, quand elles vont rencontrer ces fraudeurs en route, ils sont inquiets. Quand ils rentrent dans un village, les gens sont inquiets. Et nous avons entrepris des consultations avec les responsables de la région. C'est les oulémas, c'est les chefs de quartier, c'est les chefs coutumiers et un certain nombre d'autres associations. Et c'est ça qui nous a inspiré la décision que nous avons prise pour amener le calme et la tranquillité au sein de notre population de la région de Zander. Monsieur le gouverneur, que vont devenir euh, les anciens fraudeurs ou bien les revendeurs de ces carburants fraudés Je leur demande de se convertir dans le commerce légal, c'est tout. Il y a plusieurs secteurs dans lesquels on peut opérer, donc elles n'ont qu'à se convertir dans le secteur légal. Tous les autres citoyens font leur activité légalement. Il y a plusieurs aspects dans le commerce, donc elles n'ont qu'à se convertir dans le commerce légal. L'application de ces mesures a suscité une hausse des prix du carburant dans la euh, ville de Zander. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour euh, ramener ou bien faire baisser le prix euh, des hydrocarbures de il ne doit pas y avoir hausse de prix de carburant parce que nous avons du carburant qui se vend au prix officiel, que ce soit à Zender, à Niamey, à Tawa, le prix est le même. Si vous m'avez dit que la prise de ces mesures ont fait qu'il n'y a plus de carburant à Zender, là je vous comprendrai et je serais gêné. Mais il y a du carburant à Zender. Nous produisons du carburant et il est vendu au même prix à Maradi, à Tawa, à Zender, partout dans le Niger. Donc euh, il n'y a pas eu hausse de prix de carburant. Le carburant a gardé son prix officiel. Que vont devenir les régions qui n'ont pas de stations d'essence telles que euh, a Ogure, Matame et autres localités Les localités qui n'ont pas de station. J'ai dit il y a du pétrole produit au Niger qui peut se vendre dans d'autres localités. On doit prendre des mesures justement pour avoir des livraisons à partir des offices des stations qui sont attitrées. Mais le prix, j'ai dit, il est le même partout sur le territoire national. Le prix de l'essence, c'est 540. Euh, le prix du gasoil, c'est 538 francs. Voilà ce que je sais. Merci beaucoup. Merci, monsieur le gouverneur. Issa Moussa, gouverneur des Zender, qui répond de Mokhtar Le gaz s'est fait de plus en plus rare sur le marché, pas de rupture, mais les sociétés estiment, estiment rouler à perte si les choses continuent euh, de cette manière depuis quelque temps, ces dernières sont en pour parler avec les autorités compétentes sur la question du coût de ce produit. Plusieurs de ces, de ces sociétés disent travailler à perte vu les prix actuels appliqués aux bouteilles de gaz et elles souhaitent euh, une augmentation du prix ou une subvention de l'État. Quelle est l'alternative proposée par les défenseurs des consommateurs Écoutons à ce sujet Maman Nouri, président de l'Association de défense des droits des consommateurs ADDC Wadata. Bonsoir, euh, monsieur Maman Nouri. Bonsoir. Donc nous voulons parler aujourd'hui euh, du secteur gazier, la commercialisation du gaz au Niger. D'abord, ce secteur gazier, comment se porte-t-il Le gaz est en termes de prix accessible actuellement et il est aussi d'une manière ou d'une autre disponible sur notre territoire national. Mais seulement, il faut reconnaître qu'il y a quelques problèmes. Quelques problèmes, c'est surtout la disponibilité régulière du gaz. Nous avons à peu près euh, trois sociétés de gaz au Niger. Ce secteur connaît parfois des ruptures, selon en tout cas les sociétés, particulièrement dans la communauté urbaine de Niamey. C'est vrai, le gaz nous vient de, de Zender, il y a beaucoup de charges à supporter, mais ce qui est un peu marrant, il y a des ruptures. Peut-être des ruptures liées à la livraison, peut-être liées à la, au fonctionnement de la SORAS. Mais cela, en tout cas, crée des problèmes, surtout aux consommateurs. Et autour de cette rupture, il y a de la spéculation qui est entretenue, surtout par les détaillants. Et on connaît un rachérissement du prix du gaz ça est là. Alors que c'est un produit dont le prix est fixé par l'État, donc un produit national. Tout à l'heure, vous avez parlé des charges qui sont liées donc à l'acheminement de, de ce produit, de, les gaz. Est-ce qu'on peut avoir une idée euh, de charges liées à son acheminement des Zender euh, au niveau des différentes euh, régions ou bien des Zender à Niamey particulièrement Bon, euh, quand je parlais des charges, en fait, c'est vrai, il y a la question du coût de transport. Mais euh, on ne peut pas comparer ces, charges à celles, par exemple, quand on importe du Cotonou. Euh, seulement, les charges, quand on parle de charges, il n'y a pas que le coût de transport, mais aussi le fonctionnement à l'interne. Mais cela, certes, cache certaines réalités. Lesquelles euh, et les réalité, c'est peut-être la régularité de la fourniture, donc le respect des contrats entre les sociétés de gaz et la Sonitep qui doit livrer à ces sociétés, mais aussi le respect des contrats entre Soraz et, euh, et particulièrement la Sonitep. Alors souvent le, le problème des délais de fourniture crée des retards dans la fourniture et les retards, en tout cas même si c'est un stock qui est plutôt, même si c'est des camions qui sont stabilisés, mais quand même il y a des charges il faut reconnaître parfois certaines sociétés, euh, certains camions, c'est de location. Et plus ça dure, plus en tout cas les charges liées euh, à, la location augmentent. Donc il y a ces paramètres-là qui sont là, qui sont évidents. Mais ces coûts de transport sont supportés par euh, la Sonidep et pas ces distributeurs normalement. La structure de prix de gaz, elle prend plusieurs volets dans le transport. Donc le prix du gaz là, du mètre cube du gaz ou de la bouteille de gaz comme vous voyez, que ça soit 6 kg ou 12 kg, dans la structure de prix, il y a les frais liés au transport. Donc au finish, on a un prix par bouteille de 6, de 6 kg ou de 12 kg. Alors, est-ce que euh, ces prix tels qu'ils ont été fixés sont en dessous de ce de la réalité actuelle Probablement oui, parce qu'on ne connaissait pas cette expérience avant. Maintenant, il y a cette expérience, les gens vivent la réalité euh, du coût de transport peut-être qui a été sous-évalué. Donc c'est de ça qu'il s'agit en fait si les gaziers parlent de cela, puisque c'est une expérience qu'on vient de commencer avec notre propre produit. Ce n'est plus cette expérience d'importation à partir du port de Cotonou. Donc, chemin faisant, certainement, on va remarquer certaines failles. Et je crois que c'est ça que les gaziers ont évoqué euh, par rapport, en tout cas, à cette, euh, affaire de, de coût de transport. Parce que ces derniers jours, on a constaté quand même que le gaz n'est pas tout à fait disponible au, niveau de tous les points de vente. Et ces gens, en tout cas, quelques-uns d'entre eux, ont évoqué le fait que, en fait, ce n'est pas qu'il y a rupture carrément, c'est qu'ils euh, ils ont assez de charges par rapport à, à ce gaz et que si rien n'est fait pour subventionner euh, le gaz, euh, donc euh, à terme, soit on subventionne ou ils augmentent les prix parce qu'ils sont en train de rouler à perte. Qu'en dites-vous Ça, là, c'est de bonne guerre. Hein. je crois que, comme je l'ai dit, le gaz, les hydrocarbures, c'est des produits dont les prix sont fixés par l'État. Maintenant, s'il y a cette réalité qui est là, qui est frappante, euh, je crois que la meilleure des solutions, c'est de discuter avec le ministère technique en charge, en tout cas de la question des hydrocarbures, le ministère du Commerce et le ministère de l'Énergie. C'est vrai, il y a eu des discussions, il y a un comité qui a travaillé. Ils ont fait des simulations, ça c'est évident. Maintenant, reste à prouver est-ce que ces, ces charges sont vraies. Si elles sont vraies, elles sont évidentes, alors là, c'est de voir la façon de réviser le prix. Mais nous, à notre niveau, on ne souhaite pas que le prix soit révisé à la hausse. Par contre, étant entendu que c'est un produit national qui n'avait pas été utilisé parce que volatilisé, on a, on a fait de pertes, de, en tout cas de plusieurs milliers de mètres cubes, parce que non seulement la est l'utilisait pour produire de l'énergie, mais aussi le reliquat est, en tout cas est volatilisé. Donc, le produit national, il existe bel et bien. Au lieu de faire une augmentation de prix, il faut encourager la consommation de masse. En quoi faisant Un, il faut revoir le prix cession. C'est quoi le prix cession c'est-à-dire que le prix du mètre cube à la base, voire en diminution le prix du mètre cube à la source. C'est ça le prix cession. Ça, c'est de... La deuxième chose, renforcer le dispositif des équipements d'utilisation des gaz. C'est les réchauds à gaz, c'est les bouteilles. Et là, ça ne peut que se faire en collaboration avec les sociétés de gaz. Euh, C'est-à-dire que faire une grande promotion, diminuer le prix, et en ce moment, on peut parler de subventions, particulièrement des, des équipements. Et là, la subvention, certainement, c'est le fonds d'énergie qui peut supporter. Et je crois qu'à ma connaissance, il y a cela en programme. Donc, il faut encourager le consommateur nigérien à utiliser à utiliser le gaz. En quoi faisant En rendant accessibles les bouteilles et les réchauds à gaz. Parce que jusqu'à présent, ce n'est pas n'importe qui qui peut l'acheter. Et là, on peut utiliser plusieurs créneaux. On peut utiliser le, créneau des syndicats des, travailleurs. On peut utiliser les créneaux des différents services de l'État. Mettre à la disposition des fonctionnaires qui le désirent. Ça peut être vendu, en tout cas, sous forme de Dans tous les cas, c'est des produits, c'est des prix subventionnés. C'est des prix subventionnés au lieu, par exemple, que la bouteille se vend à le tout compris à autour de 21 000, ça peut se vendre à 15 000 on peut inciter en tout cas la consommation. Et au fur et à mesure qu'on incite la vente de ces réchauds, ça veut dire qu'on incite la consommation de masse. Et plus grand, les sociétés de gaz vendent en grande quantité, c'est qu'ils récupèrent. Donc, il y a ce mécanisme-là qui peut être opérationnel et qui permet aux sociétés de gaz, en tout cas, de récupérer beaucoup plus au lieu de perdre sur les questions de charges. Donc, c'est un mécanisme, je crois, que beaucoup plus global. Nous, en tout cas, notre entendement, il faut encourager la consommation de gaz en mettant à la disponibilité des consommateurs des équipements à bas prix. S'il le faut, donner ça à crédit. Donc, encourager la consommation de masse. Donc, ça va permettre aux sociétés de gaz d'augmenter leur volume. Et plus vous augmentez votre volume, plus vous vendez, en tout cas, vous faites des affaires. Et là, ça va permettre, en tout cas, aux sociétés de gaz, peut-être de, de, réduire les gaps par rapport aux éventuelles pertes qu'ils consentent jusqu'à présent. on a l'impression que c'est des, des solutions sur le long terme. À court terme, comment euh, euh, amortir un peu euh, ces charges et, cette crainte de, de, ces sociétés de gaz qui, euh, qui disent qu'ils sont en train de rouler à perte Moi, en tout cas, jusqu'à preuve de contraire, je suppose que, comme je l'ai dit, c'est un prix produit dont le prix est fixé par l'État. Le comité a travaillé et je crois qu'il y a eu beaucoup plus de plaidoyers autour de ça. Maintenant, c'est de continuer à faire ce plaidoyer-là pour que, au moins, quelles dispositions peuvent être prises pour permettre aux sociétés de gaz d'être mieux opérationnelles. Mais pour pour le moment, nous le constatons, c'est vrai, il y a quelques rarités, mais surtout il y a de la spéculation. Faite par qui Par les détaillants. La bouteille de 6 kilos dont le prix est fixé à 1750, quelque chose comme ça, oui, 1750. C'est moins de 2000, d'aucuns parlent de 2000. C'est vendu à 2000 présentement. La bouteille de 12 kilos qui devrait être vendue à, un peu moins de 4000, elle est vendue parfois à 5000. Donc il y a cette spéculation. Et souvent, les détaillants nous racontent que la, ce qui est vendu à 2000, il y a une société qui vend à 2000 qui a Encouragé à vendre à 2000. Donc, ça vient des sociétés. C'est une augmentation qui est là, si on peut le dire, irrégulière par rapport en tout cas au prix fixé. Est-ce que cette augmentation qui est là, ça permet à cette société de récupérer en tout cas le gap par rapport aux charges. Point d'interrogation. Là, il faut aussi que cette société fasse la situation, puisque sur le terrain, on constate, ils disent que c'est la société qui a dit de vendre ça. Donc, il y a ce paramètre-là, je crois, il y en a deux sociétés qui font ça. Il y a une société qui vend de façon régulière. Mais une chose est certaine, le prix en détail, ce n'est pas le prix fixé par l'État. Ça veut dire que quelque part, soit il y a des trichements, et ces trichements, si ça avantage, en tout cas, euh, ça avantage les sociétés, si ça euh, en tout cas, ils, arrivent à récupérer quelque chose là-dedans. Et je crois que euh, peut-être le mécanisme est relativement un peu moins amorti. où est-ce que vous vous insérez dans cette lutte euh, pour euh, que le, gaz soit disponible et accessible à tous et que euh, les prix restent fixes, que ces prix ne soient pas revus à la hausse comme comme certains sont en train de vouloir tendre vers. Comme je l'ai dit, jusqu'à preuve de contraire, il n'y en a pas de pénurie à la Soras, selon les informations. Peut-être c'est les mécanismes de livraison. peut-être il y a tellement d'intermédiaires. Ou on élimine un intermédiaire qui est la Sonidep et en ce moment, les marges liées à la SONIDEF vont disparaître. Donc, on autorise les sociétés de gaz d'acheter directement à la SORAS sans qu'il y ait un intermédiaire. Maintenant, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va revenir sur la structure des prix. Sur la structure des prix, il y a des charges dont la SONIDEF prélève pour elle-même. On enlève ces charges-là et vous allez constater que le prix va baisser. Et vous allez constater que ce, les sociétés de gaz vont s'en sortir clairement. Ça, c'est une première alternative. La deuxième alternative, la première que que j'ai citée, c'est de revoir le prix session dans tous les cas, on n'a rien à perdre. Le gaz, comme je l'ai dit au tout début, on a perdu des milliers de mètres comme ça. On peut réduire le prix pour inciter la consommation et viser la consommation de masse, l'augmentation de la consommation, du volume de, en tout cas de, la consommation. Et en incitant la consommation en volume, ce qui est sûr, et la SORAS et les sociétés de gaz vont s'en sortir. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ils vont s'en sortir. Maintenant, le consommateur va trouver en tout cas son son compte, il va trouver son compte. Parce que non seulement le produit est régulièrement disponible, mais aussi, il y a quelque part, comme je l'ai dit, il faut inciter ceux qui n'ont pas encore des équipements à en avoir et il faut inciter ceux qui n'ont pas commencé à consommer du gaz à consommer du gaz. Et là, c'est qui sur la question de consommation en volume va augmenter. Et mieux le volume augmente, mieux les chiffres d'affaires certainement. Donc si on comprend bien, euh, il y a tellement, il y a des alternatives aussi bien larges, mieux que euh, la subvention que souhaitent certaines, certaines gaziers, certaines euh, sociétés. Bien sûr, bien sûr. La subvention, moi je vois mal un produit national, produit ici chez nous, là où on a des marges de manœuvre. On subventionne ça. Moi, en tant que consommateur, je vois mal ça. Mais notre produit gazier là, qui consomme ça en dehors du Burkina parfois qui viennent. Et ces gens-là même ne viennent plus même. Il n'y a que nous les Nigériens qui consommons ça. Euh, on aurait appris qu'il y a des discussions entre justement ces sociétés et, des, la partie euh, gouvernementale. Euh, est-ce que vous êtes au courant de ces discussions et si oui, où est-ce que nous en sommes par rapport à ces discussions Je suis au courant. Ce que je vous disais, j'ai vu le rapport. Il y a notre représentant qui est là-bas. Il y a eu toutes les simulations qui ont été faites par rapport à la prise en charge de ces problèmes. Il y a eu plusieurs rencontres. Ils ont rencontré le chef de l'État, le Premier ministre, le ministre du Commerce, le comité à travail, le rapport a été fait, envoyé à tout le monde. Nous l'avons lu. C'est une réalité. Les problèmes sont vrais. Ça, c'est une réalité. Mais la façon d'aborder le problème pour les solutionner sont divers Nous avons notre approche en tant qu'association de consommateurs, c'est ce que je vous ai dit. Il y a l'approche qui a été proposée par le comité. Ça encore, c'est une autre proposition. Mais nous, nous jumelons les deux propositions. Il faut que le gouvernement choisisse la meilleure option qui puisse servir le peuple nigérien et les sociétés de gaz. Donc voilà ce que nous avons à dire. Je vous remercie. Vous venez de suivre Maman Nouri, président de l'Association de défense des droits des consommateurs ADDC Wadata. Restons toujours dans ce chapitre de l'énergie pour parler cette fois-ci de, du, pour parler de Gourbanda. Une délégation composée de quelques acteurs de la société civile nigérienne a visité hier la centrale thermique, avant-hier, disons, la centrale thermique diesel de Gourbanda, selon Abdou Maman Lokoko, coordinateur du réseau des organisations du système éducatif nigérien Rosen et membre de la délégation. Les acteurs ont mis à profit cette visite pour faire euh, pour faire un plaidoyer à qui des droits afin de revoir à la baisse le prix du kilowatt-heure pour que la population puisse avoir accès à l'électricité à moindre coût. Suivez Abdoumaman Lokoko qui répondait aux questions de Mokhtar Amadou nous avons conduit une délégation des organisations de la société civile pour s'enquérir de l'état d'évolution donc euh, de la mise en œuvre de cette station de Gorubanda en vue de donner notre appréciation à l'opinion nationale et internationale. Donc euh, nous sommes partis de la station de pompage au bord du fleuve aux installations proprement dites où les techniciens nous ont effectivement édifié sur l'état d'avancement de la construction de ce joyau, parce qu'il faut l'appeler ainsi. Donc euh, de cette visite, nous sortons ravis pour euh, un certain nombre d'éléments qu'on nous a présentés. D'abord, la station de pompage, qu'il faut dire, elle a été placée à un niveau où Selon les techniciens, l'eau est constante, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir de manque d'eau là-bas. Cela signifie que quel que soit le début du fleuve, à moins d'un ensablement imprévu, en tout cas ce niveau-là reste stable. Ce qui donne du coup la force de l'eau qui va en tout cas refroidir les turbines parce qu'il s'agit de tirer l'eau du fleuve pour refroidir donc les machines qui vont nous donner l'électricité. Ensuite, au niveau des installations proprement dites, nous avons constaté, c'est une technologie en tout cas très avancée, qui fait que la capacité donc euh, de 180 MW qu'ils veulent euh, construire déjà, il y a quatre turbines qui sont sur les cinq qui sont installées. Et sur les quatre, on est en train de faire des essais sur le premier réacteur qui peut alimenter Niamey, Tilaberi et éventuellement Dosso. Donc cela signifie que si ce réacteur-là arrive à marcher, ça fait déjà trois semaines nous ont dit qu'ils sont en train de faire un essai. Eh bien, à ce niveau-là, déjà, on peut se dire que bientôt, même si on ne peut pas satisfaire à 100% les besoins d'énergie de ces trois région-là, en tout cas à 98%, les populations seront satisfaites donc par rapport à ce premier réacteur qui est en train d'être essayé. Les trois autres aussi suivront. La semaine prochaine, donc, le deuxième réacteur sera mis en service pour des essais, ainsi de suite. Donc, je vous ai dit qu'il y a cinq. Cela veut dire que, au finish, si les cinq réacteurs sont installés, les Nigériens, en tout cas, n'auront aucun souci d'accès à l'énergie telle qu'elle est produite donc à travers la Nigélec. Quel est le taux d'exécution de ce projet Le taux d'exécution de ce projet est de 98% d'après toujours les techniciens. Donc, on peut dire qu'on est presque à la fin des activités que nous, nous pouvons constater et qu'on peut nous montrer et qui peut permettre vraiment de faire fonctionner tous les réacteurs, toutes les tribunes. Donc dans ces conditions, nous pensons qu'à 98%, on peut dire que nous sommes presque à la fin de ces travaux-là. Ensuite, ce qu'il faut euh, dire, c'est que les Chinois, qui sont les maîtres d'œuvre de cette euh, action, ont pu former des Nigériens cette fois-ci qui vont suivre et qui vont prendre la relève. Puisque les Chinois, ils sont là seulement comme les maîtres d'œuvre, c'est comme des maçons. Quand ils finissent, ils vont laisser le joyau aux Nigériens. C'est aux Nigériens de tout piloter, c'est aux Nigériens de se charger de toute la technicité. Et déjà, il y a eu des gens qui sont formés, des Nigériens qui sont formés pour faire fonctionner 24 heures sur 24 cette euh, usine-là. Et en principe, il ne doit pas avoir de points puisque c'est des Nigériens. Les Chinois, eux, ils vont construire seulement et ils s'en vont. Ils montrent aussi aux Nigériens ce qu'il a lieu de faire. Beaucoup redoutent la hausse euh, du prix sur le kilowattheure. Est-ce que les Nigériens peuvent euh, dormir tranquillement par rapport à une probable hausse du prix du kilowattheure Non, il n'y aura pas une hausse, c'est une baisse plutôt du, prix du kilowattheure que nous, avons fait le plaidoyer en tant que société civile proche des populations et surtout connaissant le train de vie du Nigérien et connaissant aussi l'importance de l'énergie. On a fait un plaidoyer pour qu'il y ait une baisse du prix du kilowatt, à la différence donc de ce que nous sommes en train de vivre. Et les techniciens ont pris bonne note pour apporter ça auprès de qui de droit en vue de faire en sorte que cette électricité qu'on va produire, qu'elle soit à moindre coût pour le Nigérien et surtout que le Niger veut même exporter ça à d'autres pays voisins. Donc à partir de ce moment-là, et même le Nigeria, si on arrive en tout cas à bien gérer cette situation, les techniciens nous, ont fait comprendre que même le Nigeria, une partie du Nigeria sera connectée au Niger. Donc vous voyez, c'est le retour donc de l'ascenseur, comme on peut le dire. Donc si on arrive à bien gérer cette usine-là, on sera en mesure d'exporter de l'énergie avec nos pays voisins, le Bénin, le Nigeria, Burkina Faso et le Mali. Donc vous voyez, c'est vraiment une technologie de pointe, mais aussi surtout, en tout cas, une technologie qui va permettre au Niger d'être non seulement un pourvoyeur de l'énergie, mais aussi un exportateur de cette énergie-là. Selon les informations que vous avez reçues, à quand la fin des travaux Nous avions insisté les techniciens nous ont fait comprendre que ça fait la énième fois. Normalement, l'usine devrait finir en 2015 mais du fait d'un certain nombre de ralentissements des travaux, aujourd'hui, ils sont là en 2016, mais aussi dans le mois d'août. Ils ont dit au risque de ne pas mentir et ne veulent pas donner de faux espoirs aux gens. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas se prononcer. Tout ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que le taux d'exécution est de 98%. Donc, il reste un tout petit peu. Mais la date en tant que telle n'a pas été précisée, comme je vous l'ai déjà dit, au vu des antécédents qu'il y a eu. En tout cas, ils nous ont fait comprendre que lorsqu'on a commencé les essais, les Chinois, il y a un des machines qui avait brûlé et il a fallu le reprendre parce que c'est la turbine même, donc le moteur, là où se trouve le groupe qui fait fonctionner les choses, c'est là-bas que par mégarde, donc les Chinois ont choisi. Mais ils ont tout repris. C'est ça qui a retardé réellement les travaux. Sinon, à cette date, ce serait complètement fini et inauguré et la station remise entre les mains des Nigériens. Ce qui nous reconforte, je dis, c'est que les Chinois ne sont que des maîtres d'œuvre. Ils vont travailler comme des maçons, on leur paye leur dû, ils rentrent chez eux, ils restent les Nigériens, donc avec l'usine. Ça, c'est très important quand nous connaissons sont ce qui se passe dans ces genres d'action ou dans ces jardins d'entreprise. Généralement, les gens ont la même mise pour que vous soyez tributaire de leur machin. Mais ce qui est du fonctionnement, c'est des Nigériens qui vont prendre donc ça en main. Ce n'est pas une sorte de relève, puisque un, maçon, il tu construit ta maison, il s'en va. C'est toi qui rentres maintenant, tu vas placer quoi que tu veux dans, ta maison. Donc c'est vraiment ce contrat qui lie le Niger aux Chinois, qui ont eu le marché donc de construire l'usine. Maintenant, le fonctionnement sera assuré par nos compatriotes. Beaucoup de Nigériens étaient pessimistes. Est-ce que maintenant, faut-il être optimiste Très optimiste. En tout cas, je lance surtout un appel aux pessimistes, comme vous le dites, en tout cas de croire. Moi, personnellement, je n'ai jamais été. D'abord, c'était au début le cadet de mes soucis. Moi-même, la route où se trouve Gorubanda, vraiment, je ne savais pas. Mais quand nous avions été, j'ai été édifié et nous croyons sincèrement à ce que ça soit le début de la fin du calvaire dans l'énergie, en tout cas au Niger. Ce qui veut dire que vraiment, j'insiste, ce que nous avions vu, si nous arrivons en tout cas à faire marcher ça, franchement, ça va être vraiment de la joie et fini les coupures intempestives. C'est vrai que les techniciens nous ont fait comprendre que on ne peut pas parler de coupure zéro, mais quand même à quatre. 98%, on va régler ça pour Niamey, Tilaberi et éventuellement Dosso, puisqu'ils ont fait des installations qui peuvent donc couvrir donc, la zone de Dosso et même exporter. Donc cela signifie que franchement, il y a de quoi être optimiste, il y a de quoi être fier de constater même les bâtiments. Quand vous partez, vous sentez que vraiment c'est du sérieux. C'est du sérieux. Maintenant, ce que nous devrons faire, c'est ceux-là qui sont chargés de protéger ça, ceux-là qui sont chargés de faire fonctionner ça, notamment les techniciens, mais aussi le gouvernement, puisque une usine pareille, je vous assure, ça consomme beaucoup de gasoil. C'est dans les 18 millions de litres ah oui, que ça consomme par mois. Et c'est pour ça d'ailleurs la Nigélec a pris le devant pour créer des conditionnalités avec le gouvernement pour créer une exonération au niveau de la, euh, de la SORAS ou de la SONDEB. Ces 18 millions de litres, ce n'est pas un petit truc. Au niveau de l'État, il faut vraiment mettre la main à la poche, faire en sorte qu'il n'y ait pas justement de rupture de carburant. Beaucoup de Nigériens pensent que la centrale euh, thermique diesel de Gourbanda n'est pas écologique. En ce sens, euh, la centrale utilise du gasoil. Que pensez-vous En tout cas, les techniciens nous ont expliqué que c'est l'une des technologies la plus avancée en matière de la réduction de l'effet de serre. Autrement dit, il y a eu des tuyaux de traitement de tout ce qui peut être nocif gaz et autres là, à travers, on nous a montré en tout cas des tuyaux où l'eau se traite, le gaz se traite et il y a une machine qui va incinérer tout ce qu'il y a comme déchets qui ne va pas se répandre dans la nature. En tout cas, ils, ont, nous ont montré les différents comportements. Je vous dis, franchement, nous, on a été édifiés par cette visite-là et par les explications qu'on a reçues, ce qui fait que, honnêtement, ce qui peuvent nous écouter, ils doivent croire que c'est vrai que ça a coûté 75 milliards de francs, il faut le dire, mais ce n'est pas de l'argent jeté par la fenêtre. C'est vraiment la technologie de pointe et les usines ainsi que la rentabilité sont au rendez-vous. C'est pour ça que vraiment nous, nous euh, rentrons confiants et ravis de cette visite-là que nous avons effectuée sur le lieu. Du reste, on a permis à tous ceux qui sont partis, en tout cas, de pouvoir s'exprimer sa langue de bois, dire ce qu'ils ont vu, et même ceux qui n'ont pas vu. Donc, à notre avis, vraiment, le, Nigérien doit être fier que d'ici peu, en tout cas, les problèmes d'énergie, les problèmes d'électricité seront réduits et à 98%. C'est ce qu'on nous a expliqué. Abdou Mamal Lokoko, on vous remercie. Merci beaucoup à Radio Kalangou. Vous venez de suivre euh, Abdou Maman Lokoko, coordinateur du réseau des organisations du système éducatif nigérien, Rosen, et qui est membre de la délégation des acteurs de la société civile qui s'était rendu sur le site euh, de la centrale thermique euh, diesel de Gorubanda. Il était interrogé par Mokhtar Hamadou les programmes de Studio Kalangu à Niamey sur la radio alternative 99.4 FM à Zender sur la radio Choukra FM 105.5 FM à Dosso sur la radio Fara 92 FM à Tawa sur la radio Tambara 107 FM à Arlit sur la radio Ikokan 95.1 FM à Agadez sur la radio Nomade FM 101.9 FM à Tilaberi sur la radio Tebonsi 97.5 FM à Maradi sur la radio Garkwa 107 FM à Filengi. Sur la radio Muria 95.1 FM à Difa. Sur la radio Anfani. 100 FM. Studio Kalangu. 18h passées de 55 minutes. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme du forum de ce soir. Mais avant, mais avant la fin, nous rappelons les titres qui ont fait l'essentiel de ce forum. Vous avez pu suivre avec nous Haruna Haruna Ousmane, président de la Fédération nigérienne du sport pour personnes handicapées, relativement au déplacement en perspective de deux athlètes euh, catégorie personnes en situation de handicap qui participeront aux Jeux paralympiques de Rio 2016. Ce sera en septembre prochain. Les deux athlètes, à l'occurrence, étaient Ibra Ibrahim Dayabou et Balkissa Mahmoudou Amadou, qui défendront donc les couleurs du Niger. Vous avez pu également suivre le gouverneur de Zender qui faisait cas de l'interdiction de fraude de carburant dans sa région, dans la région de Zender. Cette fraude qui faisait beaucoup de drames dans la région. Également, vous avez suivi avec nous l'un des acteurs de la société civile qui s'était rendu sur le site de la centrale thermique Gurubanda dont les travaux avancent et sont à 98% d'achèvement. Et puis, domaine du gaz, le gaz qui s'est fait rare donc, sur le marché, vous avez pu écouter un acteur de défense des consommateurs euh, qui faisaient cas des négociations entre euh, la partie gouvernementale et les sociétés de livraison de gaz, notamment pour trouver un terrain d'entente et éviter euh, une hausse de prix du, gaz. C'est tout. Je vous remercie. Passez une agréable soirée. Bonsoir. Studio les programmes du studio Kalangou à Niamey sur la radio Enfani 100 FM et sur la radio Alternative 99.4 FM à Agadez sur la radio Nomade FM 101.9 FM à Arlit sur la radio Ikokan 95.1 FM à Difa sur la radio Enfani 100 FM à Dosso sur la radio Farah 92 FM à Tirozirine sur la radio Azuru 95.1 FM à Filengi sur la radio Mourir Talaka 95.1 FM à Tilaberi sur la radio Tebonsi 97.5 FM à Maradi sur la radio Garkwa 107 FM à Tawa sur la radio Tambara 107 FM à Zender sur la radio Shukra 105.5 FM Studio Kalangou